dama fekk ne lu gën bëri si samay préoccupation samay collègues députés yi joxe nañ ko euh, mu wone ni rek préoccupation yi benn la mbay mi mbayu Sénégal la donc euh, benn député bu wax bu ne si préoccupation ñi si des lay wax euh, mën naa doy foofu seulement que Fouta ñun suñu te suñu suuf si dafa gaaw a nous fi ñu doon amee rendement 8 hectares Nous ñu ngi am ay 4 5 hectares parce que suuf si dafa dem ba màgget il faut que nga réfléchir si ni ngeen di def boo dote waa Fuuta si engrais phosphate bi nga xam ne bi bu ndendóori bi nga xam ne bi dafay gën a euh, ñoŋal suuf si euh, beneen bi mooy moto pompe yi nga xam ne joxe ngeen ko au Fuuta euh, nit ñaa ngi siy jot di liggéey ku am say kiim di nga liggéey mais le problème c'est que accessoires yi ñoo dul ñëw parce que tey problème bu gën a mag mooy problème tuyo yi ak bagues yi parce que bu fekkee ba nga exploité et que amoo ay tuyau amoo ay bac mu ngay dem di daw gauche ak droite boo bëggee sax am foo jëndee tuyau def ko ci doo ko am donc ngeen gën ci def xel euh, euh, beneen bi gis naa sama collègue yi wax nañ ko c'est par rapport ak tamaate bi soble bi euh, ceeb bi nga xam ne waa Fuuta loolu lañ gën mën bay ñu gën koo ñoŋal ndax ñun moom la ñu dundee gis nañu sax président Macky Sall def na si ay efforts yu bëri ñun nag ñun ñoo wax li xew si mën a wax li xew si mbay mi du ñi nga xam ne ñi xamuñu nu ñuy bayee ñooy wax li xew si mbay mi ñun bu ñu taxawee bu ñu jëlee benn épi mën nañ ko compter xam tool bi ñaata lay war a am ci ay ay ay ay rendement ci ay tonnes donc ñun bu fekkee baax na dañuy wax ne baax na bu baaxul dañuy naan ne baaxul parce que moom la dundee moom la ñu dundee donc loolu mooy li nga xam ne lii vraiment monsieur le ministre bëggoon naa yokk ci li nga xam ne li sama collègue euh, député yi wax nañ ko. mais caɗele men ɓurɗe tengtude monsieur le ministre ko hannde eh, ndema ka ina heɓi ɗi ngannduɗa leydi fuuta ndi so ndi remama so ɓoyide natta jogade doole il faut ndi ɓeyde mi yiɗum ni e rapport o par ce que phosphate garanno ɗo no waɗe heen ina waɗatno renforcé leydi ndi eh, ɗo dañeteno minen min meeɗi wadde huit tonnes à l' hectare à mboyo le directeur de la sahid ne va pas me contredire hannde eh, nen yaare ɗo ngannduɗa ɗo no beesi seeɗa ɗum waɗi so toon wallama ma ma ɓeydo won haalɓe do affaire pivuji parce que pour ko heewde ko buri yaajde e fouta jogii ko pivuji les les périmètres irrigués villageois donc c'est trop petit euh, ne yiɗa dañeede périmétre uji mawɗi de ma ndema ka waw ɓeydade euh, saɗede wonde nde monsieur le ministre euh, machallah on félicite le directeur de la saed min komi euh hande eɗen daña kala mbaɗowo programme riina heɓa moto pompe mais moto pompe uji ɗi accessoire uji eh, joɗani saabu ko ɓuuri ko hen hewde ɓuuri ko wonde caɗele men hannde ko tiwoji baguji te enen ndematen mbaɗaten eh, moto pompe uji ɗi koye maayo maayo wondi koye warango wadde il faut ɗum ɗon ne ƴewte wallite saabu min hooram komi ndemowo ɗo ɗo gonmi mi reemi kono mbeɗa jogino caɗele no fewi to eh, to on bangue minen wonɓe remoɓe ɓe amen gandi effort mbaɗaɗo o e ndema ka amen gandi ɗum mo wona ndemowo noon ko wela haala sabu so tawi ƴewata koye kayitaji walla keɗotoɗa koye radio ko beelaɗa kaala minen min ƴettat sammere min lima min ganda combien de tonne on va avoir à l' hectare avec euh, lepi min lima min ganda komin dañata wadde minen so yimɓe ne kaalanamen ndema yo kaalanamen ko ko natate e noppi amen wona jooɗa tan haala ko wela ɗum noon monsieur le ministre min mbaɗa moon félicité onon e président makisall mo gandanɗa hoorema